Au plan social, Maudo avait lié une fraternité agissante avec la plupart de ses contemporains, avec lesquels une convivialité et une estime réciproque étaient vivifiées et convenablement entretenues. Il disait aux membres de sa famille et à son entourage immédiat que toute personne qui dit du mal dans mes relations avec mon parent et frère Ahmadou Bamba s'exclut tacitement des miens. Cette attitude irréprochable lui a valu beaucoup d'éloges sous forme de poèmes de la part de grands hommes de Dieu comme Sadbou Bouabi, Tierna Ahmed Ndiaye Babaye, Tierna Suleiman Bal, Tierna Martar Kebe, Elage, Cher Tiam de Fatigue, Cher Ahmed Bambamba et Khadim Rasoul, pour ne citer que cela. Dans le domaine littéraire, Maudo Malik a légué à la postérité une richesse immense. Ses nombreux ouvrages et poèmes étaient essentiellement axés sur la théologie, le soufisme, la biographie et louange du prophète et sur des événements heureux ou malheureux touchant ses amis ou d'autres marabouts. Parmi les plus célèbres de ses écrits, on peut citer hélas aux Arabes, un long recueil de mille envers retraçant la vie du prophète depuis que Dieu a eu l'intention de le créer à partir de sa propre lumière jusqu'à sa mort. Un ouvrage qui fut imprimé en Tunisie en 1915 sous le désir du gouvernement général de la colonie. El' Malik commanda d'ailleurs mille exemplaires. Il y a aussi Kifayatul Ribine », un livre de droit civil, social et pénal, Ouassila Toulmouna, encore appelé Taïsir, Fatihatou Toulab, Ifram al-Munkir al entre autres. Le saint a aussi écrit sur la médecine, l'astrologie pour ne citer que cela. Ses ouvrages sont remarquables par la pureté de la langue arabe, par une certaine élégance de style, rare chez les lettrés noirs. Moraliste émérite et veilleur de conscience, Maudo aura été non seulement un témoin de son temps, mais aussi un visionnaire. Son combat a été de former des soldats de la foi et de les disperser pour qu'ils diffusent le savoir, élargir les bases de la religion et de la tariqa. إن مدح الحبيب خير علاج عالجوني به ففي شفائي بأنني سيدا خير حب لكم بالسماء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق ومحب لكم ورب السماء لعبد العزيز عبدك هذا ناصر حاميا على العذاب قل لعبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الاعداء قل لعبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الاعداء قل لعبد العزيز عبدك هذا لأكونين ناصرا على الأعداء لي بأنني سيد الخلق حبا لكم ورب فاقبلوا فاقبلوني محبتي يا زماني ومدادي في شدة ورخاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق En 1911, le dernier rapport que les colons ont réalisé stipulait que l'âge malixi est toujours conforme aux enseignements du Saint-Coran de la Sunna et de la Tidjania. Il prêche un islam dépourvu de fanatisme et de légende. Il pratique et prêche l'orthodoxie de l'islam sans ostentation ou intolérance. Il aura fait un parcours sans faute. Pourtant, ce chevalier de l'islam a réussi la prouesse de propager ses idées par le truchement d'une stratégie de coexistence pacifique. Armé de patience, de fermeté, de persévérance et d'abnégation, Maudo Malissi a fini par imposer au niveau national sa vision de l'islam et également dans la sous-région, partout en Afrique et un peu partout dans le monde, en évitant les contacts dissolvants qui n'ont la plupart du temps abouti qu'à une déstructuration de la société. Ce qui est d'ailleurs arrivé à presque tous les résistants qui ont adopté la méthode de la confrontation. Mais la stratégie de la résistance pacifique ne l'empêchait pas de s'en prendre violemment aux colons hérétiques. Le symptôme de Tiaron opta constamment pour l'éveil des consciences, de ce point de vue, le champ de Diaksao était un cadre très propice pour délivrer un enseignement à la fois religieux, moral et même politique. L'exemple type est celui de ces implanté implanté en plein cœur du dispositif colonial, c'est-à-dire principalement à Dakar et à Saint-Louis, parce qu'il avait choisi d'installer ses lieux de culte en plein centre des deux capitales qu'a connu le Sénégal, sa stratégie de quatriage du territoire et de grands rassemblements du Gamou n'a pas manqué de susciter des inquiétudes chez le colon. Mené en période coloniale, un combat de cette dimension et le gagner ne pouvait être que le fait d'un homme exceptionnel à tout point de vue et dont l'exemple de détachement et d'efficacement ajoute à la grandeur. Maudo a fait un long chemin, il a surmonté maintes obstacles et a abattu un travail de titan dont la résultante est aujourd'hui une parfaite propagation de l'islam, de la Tidjania à travers non seulement le Sénégal, l'Afrique, l'Europe les Amériques et l'Asie. El Malik souffre d'une cataracte double qui l'empêchait presque de voir, mais malgré son désir d'en finir, il recule indéfiniment la date de l'opération chirurgicale qui lui a maintes fois été proposée. Les prières de Maudo pendant son pèlerinage ont été exaucées, si l'on en juge par les vastes champs qu'il exploitait à Nyarné, Diaksao, Djamogon, etc., les mosquées qu'il a fait construire partout, ou que ses fils ont fait construire dont celle de Paris. C'est l'un de ses disciples, l'âge Abdul Hamid Khan de Kaulak, qu'il avait envoyé pour définir l'orientation vers l'Est en 1922. Sa mission accomplie, il fut rappelé à Dieu le 27 juin 1922 à Tuawan. Il repose dans sa zawiya dans la ville sainte. Son mausolée fait l'objet de nombreux diars de la part de nombreux disciples venus s'y ressourcer, surtout en période de Gamou où la ville de Tuawan connaît une très forte influence. خالف التجار يا خالف ماما قصيد يمان لقم ليلة يا لمي كوكا يا لمي دوغار يا خالف يا خالف خالف يا خالف ماما بسيد يمان لقم ليلة يا لميكوك يا لمي دخار يا خالفة يا خالف تجار يا يا La succession sera assurée par son fils Srin Babakarsi, qui est resté 37 ans à la tête de la confrérie. Son accession au khilafa coïncide avec le centenaire de la disparition de Maudo. Serine Babakarsi, encore appelé Cheikh Al Khalifa, par les intimes a marqué d'une empreinte indélébile son califat. Il a su incarner et bien gérer le legs de Maudo. Il sera soutenu par ses frères cadets, Elaj Mansoursi Balchaoumi, Elaj Abdulaziz Siddabar et Elaj Abibsi. Serine Babakarsi est rappelé à Dieu le 25 mars 1957 à Tiawan. Il est inhumé dans son mausolée. Quatre jours plus tard, c'est son frère cadet qui est rappelé à Dieu. Elaj Mansoursi Malik décède le vendredi 29 mars 1957 à Tiawan. Il repose à côté de son père dans le même mausolée. Leur succession sera assurée par Elhaj Abdelazizi Dabar, l'homme aux 40 ans zéro faute, Dabar Malik, pionnier du tijanisme au Sénégal, œuvra beaucoup dans le domaine agricole et reçut en 1965 une médaille dans ce domaine. C'était aussi un grand commerçant. Doué en chant et en poésie, ce fils d'Elhaj Maliksi et de Mam Safiatounian mena plusieurs fois avec sa voix caractéristique les chœurs religieux lors de la nuit du Maoulid, fête de la naissance du prophète. aussi pour une meilleure cohésion entre les différentes confréries musulmanes du pays. d'abord s'est éteint le dimanche 14 septembre 1997. Il sera succédé par son neveu Serigne Mansoursi Borom Daraji. Borom Daraji ouvre ainsi l'ère des petits-fils. Son surnom, Borom Daraji, vient du fait qu'il a tenu pendant de longues années le grand darad de Tuawon fondé par son grand-père, Sidi Haj Maliksi. Il a aussi implanté de très nombreuses écoles coraniques dans tout le pays. Il a critiqué les caricaturistes du prophète dans son poème Tabat Yadakoum. Des suites d'une maladie, le fils du premier calife de Maudo s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012 en France. <laughs> وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يدلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم رأيته في طيبات حرم وإسمه قزم من أعظم الخزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة مخترقة ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي Placé par le deuxième fils de Serine Babakarsi. Serine Cher a grandi aux côtés de Serine Toufal, Imam Moussanyang, Nyang, Serine entre autres. Ces derniers sont des compagnons de son père, Serine Babakarsi. Il termine à 14 ans le cycle inférieur et moyen des études islamiques et publie à l'âge de 16 ans son premier ouvrage appelé Les vices des marabouts. Serine Cher est aussi connu pour ses écrits. L'un des plus célèbres s'appelle il est que de Mohammed, qui est destiné à son homonyme Cheikh Ahmed Tidjan Sherif, fondateur de la confrérie Tidjan. Sirincher est appelé à Dieu le 15 mars 2017. Il a été remplacé à la tête de la confrérie par son frère cadet, Serin Abdelaziz Alamin. Il est le sixième calife général des Tidjanes, après son illustre père, Khalifa Ababakarsi, qui le fut du 27 juin 1922 au 25 mars 1957, Seydi Mohamedou Mansoursi, qui ne fut Khalif que quatre jours, du 25 mars au 29 mars 1957, Seydi Abdelaziz Dabar, qui le fut du 29 mars 1957 au 14 septembre 1997. Serine Mohamedou Mansour, du 14 septembre 1997 au 9 décembre 2012, et Seydi Ahmed Tidjansi Al-Maktoum, du 9 décembre 2012 au 15 mars 2017. Mais au-delà de l'héritage mystique et de sa dimension d'illuminé, Serine Abdulaziz Amin est une synthèse vivante de Mam Khalifa et de son homonyme Mam Dabar. وهدى به أهل البساط محمد لتزول عن غايات الأوهام فاسأل أجبك بأن نور المصطفى طهرت به الأرواح والأجسام فحضارة ما بعدها من مذهب وكفاية نفسها وقوام وهداية عمت بغير تفلسف وأمانة أدى بها الإسلام لا رأي بعد حقيقة في طيها سر الحياة وفيه بعد مرام فلك الخيار فمؤمن في حسنه أو منكر تلهو به a été rappelé à Dieu six mois après le décès de son prédécesseur. La succession sera assurée par Serine Baïsi Mansour. Le septième Khalif général de Tidjane a été formé à l'école de Tuaon. Baïsi Mansour est fils aîné du défunt deuxième Khalif général de Tidjane. Cheikh al hadji Mohamed Mansour Simaoudo, qui est le grand frère de Sid Abdelaziz Dabar. l'homme de Dieu qui rassure par sa franchise, sa droiture, sa rigueur et son attachement sans faille à la charia et à la sunna du prophète paix et salut sur lui, avait été intronisé porte-parole le 18 mars 2017 par Srin Al-Amin, devenu alors nouveau Khalif général de Tidjan, suite au rappel à Dieu le mercredi 15 mars de son frère aîné, Sirin Cheikh Ahmed Tidjansi al-Maktoum. Sirin Baïsi Mansour, connu pour son franc-parler, apparaît comme le gardien vigilant et intransigeant des vertus qui s'attachent à Tuawan. Partout, le cher qui se distingue par la constance de ses engagements moraux et la conformité de ses actes et de ses actions aux préceptes de l'islam, dont les plus fondamentaux pour la communauté musulmane sont la vérité, la paix et la justice. Impose aussi le respect, car il ne transige pas avec les principes et encore moins avec la tariqa un caractère bien trempé qu'il tient de son père, Mohammed al Mansoursi, de son homonyme, Sheikh Al-Khalifa, et de celui qui fut son tuteur et protecteur, Sidi Djamil. Dès lors, il est facile de comprendre pourquoi le fils aîné de Serine Al Mansoursi Maudo, qui préfère le sens de l'honneur aux honneurs faciles, reste tel qu'il est, un pur orthodoxe qui sait fuir les contingences pour se réfugier dans la vérité. bi neena lu serigne bay wax rek nañ ko def serigne bay neena pour nopi ci kër ma mag yeen ñep dañ top ci gannaaw neena kon mom meek ñun ñepp dañ top ci gënaaw serigne bay lu mu wax rek ñu def neena lu mu wax rek nañ ko def lu mu téré it nañ ko bayyi té neena momit mu wattu ngeen nax ma ngeen nax ko dugal ma ci lo xamne serigne bay daf ci jaarut dugal ko ci lo xamne serigne bay dafa cey daf ko tere woon. daf koo tere woon. te yëgu ko.